xam nga su ma déggee Juan Branco damay rey quoi damay rey sur deux ci Guy Marius Sagna ak Ousmane Sonko xam nga Guy moo France dégage n'est-ce pas France dégage day luwoo sa réew day luwoo université Anta Diop day luwoo man intellectuel bi nekk Sénégal ak compétence juridique yi nga xam ne ñoom la nekk ay avocat nekk Sénégal surtout ay avocat moom nga xam international di procès un violeur de ce type de Juan qui pense que la CPI c'est comme un berceau où on met les enfants pour auto afin de se procurer un plaisir euh, Juan ce type narcissique mégalomane et indiscipliné qui n'est pas un modèle aussi bien qu'en France au niveau, de la, au niveau mondial, il n'est pas considéré par ses pairs nga jël ko ne da ngay def vilipender réew te <laughs> le traité de Rome dafa leer CPI pays kese moo mën ces pays nit CPI te CPI mënoo yóbbu noonu pays boo xamante ne institution yaa ngay n'y correctement que Kham Kham. Acte de Yadi mooy jàpp Ousmane Sonko. donc moom amul habilité pour clamer état bu Sénégal. loolu fu mu am xanaa yéen jàngu nekk nag yéen mais mon aussi il est avocat. mais ban avocat. ce type qui n'a jamais gagné un procès sérieux en France. qui passe tout son temps à brader sa vie par des histoires de mœurs. donc plainte bi du dem fenn. ma ne ban plainte état mooy porter plainte daa la wax te état su porter plainte le procureur de la CPI il faut que mu autosaisir dem non c'est-à-dire <laughs> man dama dama def.

Mon dans les délires discrétifs, dans ces fantasmes et dans cette paranoïa Dans euh, le je me disais je me dis que mais où sont ceux qui disaient que France dégage où sont ceux qui disaient que France na tenu le coup Tiens, nous nous savons nous avons compris que au Sénégal nos ressources naturelles que beaucoup d'entreprises françaises ont voulu avoir des licences d'exploitation qu'ils n'ont pas eu veulent utiliser maintenant une certaine presse corrompue de, l'Occident et c'est firmes utilise des politiciens atypiques et invétérés qui n'ont aucune connaissance sémantique de l'administration, euh, de l'administration de nos institutions, qui n'ont jamais, jamais aimé l'odeur de la bonne gouvernance. ils nous les comme des marionnettes. Ils sont en réalité la, main invisible de ces forces occultes qui visent à détruire le Sénégal. T'es le là. au de justice sera faite. Mm. C'est donc à que c'est la plus grande honte et l'échec que Ousmane Soko n'a jamais pensé parce que Yakar Nané, France ak nous France ak discours il me il faut France français de France avec des coûts de millions de Français à France pour uniquement oh, temps de parole.

tous les avocats qui sont sérieux et ONU. Hmm. Et pourquoi le Sénégal échoué partout La diplomatie sénégalaise se porte très bien, la signature sénégalaise est à merveille. Le du parce qu'il y a de la bonne gouvernance et que la seule personne qui mérite de traduire en justice pour homicide et après à l'insurrection, après à un mortel combat, il s'appelle Ousmane Sonko. Que pourquoi Khamantene, dès que tu manifestes, Ousmane Sonko

donc vidéo aussi yi nga gisoon euh, ci ci ci réseaux sociaux yi. vidéo yi ma gis man ñi nga xam ne dañoo ñëw attaqué seen man ñi ma ñi nga xam ne. ci ministre de l'intérieur. xam nga man si sama jéem man mi di wax ne société ma occupé defi parce que man ay assaillants ñoo ñëw assaillir sama kër pour pour pour pour pour pour gaañ ma. Mm-hmm. ma ma mm-hmm. mais ñi ma gis ñoom ils ne sont pas sénégalais ñooñu jéggiwul sax Sénégal. Mm-hmm. pourquoi il y a des rapatriements. c'est force occulte xam nga la la la la la le comment dire le terrorisme. mais vidéo bi may wax nii euh, ñëpp nañ vidéo police